Nous ne trouvons pas les mots pour remercier Madame Djeneva Amar et le euh, maire Mansour Faye. Euh, ils n'ont jamais arrêté euh, d'appuyer les diabétiques pour qu'ils puissent vivre avec leur diabète sans complication. Parce que vous savez, on ne peut pas éradiquer le diabète, c'est un fléau mondial, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et ce jour-ci, vous étiez tous témoins, encore pour une énième fois, Madame Dieneba a offert euh, du matériel de fitness. Et vous savez, d'après les dernières enquêtes, Saint-Louis, les 56,2% étaient sédentaires. C'était des recherches de 2010. Et c'est pour cela qu'elle a trouvé utile euh, d'apporter du matériel de fitness pour les diabétiques, parce qu'il y a des diabétiques âgés qui ne pourront pas faire la marche ou bien faire du jogging. Mais nous avons des salles. Et là-bas, dans les salles, surtout la salle qui est à l'infirmerie militaire au nord, on va placer le matériel pour tous les diabétiques, mais plus particulièrement pour les diabétiques âgés. Quelle est la tendance du diabète euh, vous savez, Saint-Louis a une prévalence de 10,4%, euh, la prévalence la plus élevée, mais comme euh, l'a dit tout de suite le maire, on va essayer ensemble de travailler là-dessus pour inverser la prévalence. Parce que ce que nous voulons, parce que la moyenne au Sénégal, c'est 2,1%, mais à Saint-Louis, ce n'est pas le diabète, mais ce sont les complications précoces euh, qu'on rencontre. Et Saint-Louis est une ville où l'activité principale, comme je vous ai dit, c'est l'informel. Euh, les personnes euh, monnaient leur santé pour vivre. Il est donc utile de les assister pour que les diabétiques puissent vivre sans aucune complication. Parce qu'il s'agit de ça, on ne peut pas éradiquer le diabète, mais quand même on peut faire de sorte qu'il euh, il n'y aura plus de complications qui pourra freiner les activités socio-économiques des diabétiques.

te kooku def na ci lu ràññeeku euh, maa ngi fi wax appareil hémoglobine glyquée bi nga xamante ni kenn mënatul wax fajum jabet te amoo ko moo ñu ko jëkk jox ñu jox ko hôpitalu Saint-Louis fexe ba bépp diabétique boo xamante ni boo naroon fay ñaari junni yaa ngay fay genn wàll kon dafa mel ni euh, diabétique bu nekk yëkkati na euh, junni jox la te rien que malade yi fa bindu rek mel 1775 amna ñu xamante ni utiliser nañ ko 2 3 ba 10 fois kooku duñ ko calculer gis nga ni mu toll déjà té appareil ba ba tay ma nga fo kon du tay lañu ñu gestu nak euh, soxna ba Amar defaat lu ni mel euh, way bi rek moy lolu fexé ba diabétique yi euh, dund te duñu am complication kooku nag sore na ci ñun si sama tour ak turu diabétique yëpp euh, soxna ba Amar euh, monsieur le maire ñi ngi leen di gërëm et puis du leen déglu parce que li nga wax léegi si bi doy na diabète bi du sant Jóob kese du sant Fay kese maanaam yëfu ñëpp la te incha allah def ngeen ci seen loxo euh, li ngeen si def nag yëg nañ ko ñi ngi leen koy gërëme Mm, enfin <laughs> li le maire wax moy am parce que amna ñeneen ñu fi def ay enquêtes ni ñom russe nañ ko publier le maire wax na ni ëpp les ay chercheurs de defoon fi ñom professeur Abdou Kane équipe bi fi ñëwoon def ko mu jaxalon Sénégal yeneen ñaari entité organisme def nañ fay enquête bi ñu ko déeyee dañu ne daal doy leen seen dix virgule quatre pour cent leneen lu buñ ko waxee dañu tës bët si dëkk bi <laughs> kon mooy li am kon euh, enfin ñenn ñi nag dañu naan euh, jabet bi delluwul gannaaw xëy na technique wu dépistage yi moo ñëw léegi parce que fàttali ko ngeen bu njëkk ba am na yu daan dal sunu maam yi ñu ne raba ko pes wala leneen ak leneen mais léegi nag technologie bi avancé na mais daal li si mën li ñu mën a dégg mooy ndar li fi nekk si jabet euh, ñaan nañu yàlla moyenne bi am Sénégal monsieur le maire nous sommes foofu buñ ko mënul effacer am 2,1%, virgule un pour nous sommes monsieur le maire ak madame Dieynaba Amart, Inch'Allah, incha pour le bien de la de toute la population et des diabétiques